Yen di di di si wuyu Mohamed Massali. La section muy représente la section départementale de Thiès Mme Honor Bouré, nous représentons maître Madike Nyan, le prochain président de la République du Sénégal. Guité coalition Madike 2019 Mobokosi depuis plus de trois mois donc content si ndimbal bi fédération départementale de Thiès du PDS à travers euh, Massali def na ko euh, donc man si ma tànnee pour ma recevoir don bi 5 millions je dama content je suis content parce que man dama fekkee te gis des centaines de millions. Des centaines de millions que Madi Kenyon a dépensé pour collecter. Nous avons di collecter ak informaticiens yi nga xam dañu contrôler donc signature yi Nous nga xam dañu nek ci internet bi di yak dañu xamul ñu lan lañu ñuy daj xamuñu Madi Niang lan la daj financièrement pour fay collecteur yi parce que ñun jënduñu benn parrain parrainage je n'ai pas de signature de feuilles, Donc, je dis qu'il y a des FAI des feuilles informaticiens pour contrôler les signatures. Vous savez ça des qu'ils sont venus, des signatures de Donc, des milliers de signatures, rien que pour le Khalis. Nous avons des le pour vérifier Après, ils sont vérifiés les signatures de Comme les signatures, ils euh, ont été validées. Nous dépassons plus de 53 000 signatures de FAI, fait des conseils constitutionnels. Donc, mérité, c'est qu'il de loolu laay tontu ñi nga xam ne dañuy doon bugg a xajamal suñu victoire bi nga xam ne ci cinq premiers nous avons xam ne ñoom ñooy jokkantoon ñoo dem le 24 février 2019 doom bi nag moom dina appeler ku ci nekk la même chose que Massali et la et la fédération donc euh, départementale de Thiès muy man muy ku mu munti doon tous les alliés tous les électeurs euh, potentiels nous avons demandé demander nous appeler. donc euh, toute l'équipe de campagne de maître Madi Kenyon. te avons dafa nekk bu am solo Madické Niang mi ngi fait la même chose parce que campagne même Obama a demander pour nous appeler. parce que campagne électorale dafa fait 45 départements

donc il y a ni Massali avec euh, le, département de caisse du PDS qui a fait un bel exemple de générosité et ça c'est un geste à saluer Kondinawa au nom de Madi Kenyon merci merci et encore merci.